distinction bi lu tax ma jël ko déjà le président de la république dafa def lu rëy tabaxal ñu stade bu mel nii ñëpp respecté ñu Afrique Une distinction bi ma fi andi a un na doon loo xam ne dafay motiver la nouvelle génération à venir les permettant d'être des patriotes et de donner le bon exemple. Car nous, et la joie est Sénégal, on a besoin d'une jeunesse saine. J'ai représenté le Sénégal comme ambassadrice avec une équipe et nous avons gagné. Et je pense que cette distinction mieux, mieux être ici qu'à la maison et que ça soit chez nous. Donc ça nous fait plaisir d'être là avec vous de partager ce moment, de vous ramener les trophées qui sont à vous quand même aussi. Nous, depuis le décès de, de, comment, de Bouba, nous avons. Le pays a fait beaucoup pour nous, vous avez fait beaucoup de bien, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez donné beaucoup d'amour. Et euh, le président Macky Sall qui a donné le, le, nom du musée au nom de Bouba, ça nous a tous touchés. Donc on a pu ramener les trophées. J'en ai parlé avec mes enfants qui étaient d'accord, donc voilà. Cette composante du stade permet de sensibiliser les populations sur, euh, sur la sauvegarde et la connaissance, la protection du patrimoine sportif sénégalais. C'est également un moyen de valoriser notre histoire, de promouvoir nos valeurs, satisfaire la passion de tous les supporters sénégalais. De plus, ce concept novateur contribue à la, promotion touristique. Enfin, j'appelle à la mobilisation de toutes les légendes du sport sénégalais pour poursuivre cet élan de générosité et de patriotisme euh, que nous magnifions aujourd'hui à travers euh, cette donation de Mme Diop et de Mme Beng.